le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Studio Kalangou, il est 18h17 minutes. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Bonsoir. Studio Kalangou, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozirine, Magaria, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. La une, c'est toujours le Hajj 2016 après l'annulation du premier vol charter les versions s'enchaînent, mais ce ne, se ressemble pas. Quand le Coro parle de raisons techniques, la compagnie Niger Airways dit non, c'est plutôt un problème d'autorisation de décollage, de survol et d'atterrissage en Arabie Saoudite. La compagnie ajoute aussi qu'elle n'a pas, qu'elle n'a encore perçu aucun franc de la part du COHO. La campagne hivernale en ce mois d'août, le Niger est bien arrogé de pluie, ce qui a permis un bon développement des cultures dans presque toutes les localités, des cultures qui sont malheureusement menacées par des attaques d'ennemis des cultures, des sauteriaux, des chenilles et des insectes floricoles sont signalés un peu partout. La Direction générale des protections des végétaux dit avoir traité plus de 65 000 hectares. Les pluies et ses conséquences, la Direction nationale des archives en sait quelque chose. Elle a été inondée la semaine dernière. Le bilan des dégâts n'est pas encore connu, mais l'heure est aux réparations et à la sauvegarde des documents abîmés. Vous suivrez le directeur et un chercheur qui s'inquiètent de l'état de délabrement de ce joyau national. Oui, ce point de presse ce matin du représentant de l'avionneur Max Air, Max Air qui devait transporter 50% du quota des pèlerins nigériens en terre sainte d'Arabie saoudite dans le, cadre, dans le cadre du Hajj via la compagnie Niger Airways. Au centre de ce point de presse, les raisons de l'annulation de tous les vols de Niger Airways. Le représentant de Max Air se veut ferme. Pour lui, il ne s'agit pas d'un problème technique mais plutôt d'un problème de slot, un problème d'autorisation donc de décollage, de survol et d'atterrissage en Arabie saoudite. Un autre problème, ajoute Boukhari Sani Zili, c'est le décassement des fonds. Le représentant de Max Air, Boukarissani Sani Zili, dans des propos recueillis par Adama Dawachi. Dès qu'on avait produit le programme, deux compatriotes nigériens, un au Congo et un autre qui a une compagnie nationale, ils ont faxé ce programme à la GACA et à Florida, c'est-à-dire que ah, voilà que Max R va tricher, vous leur avez empêché les slots, mais ils vont travailler avec les slots du Nigeria. Immédiatement, ils ont écrit une lettre à, Max R pour nous avertir que si on procède autrement à transporter les pèlerins nigériens, voilà, on encourt des sanctions et ce qui a fait qu'ils ont annulé tous les sur slots, ce qui fait qu'on ne peut plus voler. À dire qu'au moment où on nous demandait de venir commencer, on ne nous a pas donné aucun contrat. Sur insistance du gouvernement, seulement le jeudi 18, on signe le contrat avec Niger Airways. Niger Airways nous appelle, il signe le contrat avec nous. On demande, comme d'habitude, 50% d'avance pour amener l'avion. Et le directeur général de Niger Airways était au covo. On lui a montré une lettre. Voilà comme quoi, à la date d'aujourd'hui, on vous fait un virement de 2 milliards 589 millions 700 millions. Et à notre grande surprise, le chèque revient impayé parce qu'il n'a pas fait le virement à Niger Airways pour que le compte soit crédité. C'était une mise en scène. Mais quand les gens des plainas ont constaté que l'État nigérien ne recule pas et elle exige à ce que Niger Airways transporte les 50%. Le samedi soir, le responsable de Flynas a pris la menace du gouvernement nigérien au sérieux et a appelé Mangal pour lui dire, bon, écoutez, maintenant nous sommes prêts à coopérer avec vous dans le cadre du Hajj du Niger, mais parce que nous, on ne veut pas que vous partiez au Niger transporter les pèlerins, il faut laisser, il faut quitter ces terrains-là. dit que, mais de toute façon, il n'a pas le contrat. Le contrat, c'est pour Niger Airways et c'est leur droit. Ils peuvent utiliser des chameaux, ils peuvent utiliser à dos pour amener leurs pèlerins. Ça, c'est leur affaire. Donc, ils veulent qu'on s'entende. C'était pour nous endormir. Pendant qu'ils nous auraient promis de nous donner les slots, on prétend que nous allons transporter les gens par le bus pour les amener à Kano, ensuite les amener à Jida. On nous fait du chantage pour dire que si vous amenez les gens à Jida, il faut que vous supportiez le trajet jida médine voilà Boukari Sanizili, le représentant de Max Air et par ricochet celui de Niger Airways, sur l'annulation du premier vol Hajj 2016 dont il a la charge. En ce mois d'août, le Niger est arrosé de fortes pluies dans sa majeure partie ce qui a permis d'améliorer le développement des cultures, des cultures qui sont malheureusement menacées par des attaques d'ennemis de toutes sortes. La situation phytosanitaire est inquiétante, mais la direction des protections des végétaux rassure que des dispositions sont prises pour traiter tous les foyers d'infestation. Les explications du directeur général de la protection des végétaux, Moudi Sani. La situation phytosanitaire des cultures euh, en, cette troisième décade du mois d'août, elle se caractérise euh, par euh, des manifestations de plusieurs ravageurs dans de nombreuses localités de notre pays. Comparativement aux deux campagnes qui, qui se sont écoulées 2014 et 2015, on peut dire quand même que la campagne 2016 connaît beaucoup plus d'attaques, euh, nous en recevons plus d'attaques d'ennemis de culture. En 2015, à pareille euh, période, nous avons traité à peine 6 000 hectares la campagne passée. Sur l'ensemble du pays, 6 000 hectares à la fin de la deuxième décade du mois d'août. En 2014, c'était à peine 10 000 hectares. Euh, pour la présente campagne, nous sommes déjà à 65 000 hectares traités au cours de la euh, jusqu'à la fin de la deuxième décade du mois d'août. Euh, c'est une campagne relativement plus importante en, termes d'infestation et ça fait que donc nous sommes en train de nous battre sur plusieurs fronts en ce moment. Et quels sont ces renvoyeurs Pour l'essentiel, il s'agit de Sotorio, principalement dans les régions de Tawa, Zender et Tilaberi. Il s'agit aussi d'insectes floricoles, que ça c'est dans tout le sud de la région de, Dosso, dans certains départements de la région de Maradi et dernièrement dans euh, plusieurs euh, départements, en tout cas des, autres régions. Mais ce sont essentiellement les régions de Maradi, et, euh, Dosso et maintenant la région de Niamey. En tout cas, euh, au cours de la deuxième décade du mois d'août, euh, la région de Niamey est également concernée par les attaques d'insectes floricoles. Ils sont en train de traiter en ce moment. Ces ravageurs s'attaquent à quel, à quel type de céréales Toutes les céréales sont concernées. Les sotorios, c'est toutes les cultures, notamment euh, le, le mil, le sorgho. <laughs> Les insectes floricoles, ils s'attaquent surtout au, mille. Mais nous avons, euh, j'ai peut-être omis de le signaler, les apparitions de la chenille mineuse de 2000 que nous surveillons attentivement et contre laquelle nous sommes en train de déployer des, porteurs efforts de lutte biologique en utilisant son ennemi naturel. Mais la chenille mineuse, c'est quand le mille a un stade euh, très avancé. Euh, alors, c'est dans quelle zone La chenille mineuse, effectivement, c'est quand elle se manifeste lorsque le mille commence à, à, épier. Et maintenant, toutes les zones où le mille a atteint le stade et donc elles sont sous surveillance. Notamment, donc, euh, toutes les zones où, euh, nous avons enregistré des semis au mois d'avril et mai. Nous avons identifié à peu près 41 départements et c'est euh, à peu près 100, 149 communes qui sont actuellement sous surveillance et dans lesquelles nous comptons mener des opérations de lâcher de l'ennemi naturel de façon à ce que nous n'enregistrons pas de dégâts de la chenille mineuse dans ces, dans ces localités-là. La chenille, c'est la plus dangereuse pour nos cultures Elle n'est pas, elle pas la plus dangereuse, puisque je vous ai parlé des sauteriaux, je vous ai parlé des, insectes agricoles, Mais la chenille, là où euh, sa particularité, c'est qu'elle est difficile de la combattre avec des moyens chimiques. Et c'est pour ça que nous développons maintenant la lutte biologique. Nous, nous utilisons son ennemi naturel pour la combattre. Donc nous faisons des élevages au laboratoire de, de son ennemi naturel. Mais euh, je, dois également vous préciser que maintenant, les, organisations paysannes sont initiées à cet élevage-là. Donc ça facilite la lutte biologique maintenant, parce que les organisations de producteurs de certaines localités ont maîtrisé les techniques d'élevage et procèdent donc elles-mêmes au lâcher dans dans, leur localité. Quel est l'impact de ces attaques déjà sur les cultures Bon, pour l'instant, je pense qu'on peut estimer qu'il n'y a pas de, de, dégâts considérables puisque partout, en tout cas où ces ravageurs-là se sont manifestés, euh, les brigadiers sont en train de travailler, nos techniciens euh, sont en train d'utiliser les, appareils montés sur les véhicules de traitement. Et nous avons actuellement dans la région de Tawa un avion qui est en train de traiter. La situation est sous contrôle On peut considérer qu'elle est sous contrôle pour l'instant. Quelles sont les zones les plus en vue où vraiment la situation est très délicate malgré euh, votre présence Nous avons trois régions qui qui, ont le plus d'infestations. De, C'est la région de, de Tawa, dans les, dans les, départements de Keta et Bouza. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la région de Tilaberi, en ce qui concerne les sauterelles dans les départements de Walam et Filingué. Euh, je vous ai parlé également des, des, régions de Maradi et Zender, et surtout d'Osso en ce qui concerne les attaques d'insectes floricoles. Vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement nous sommes sur le terrain. Ce que nous avons pu faire, c'est surtout de mobiliser les brigadiers phytosanitaires, mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour faire les interventions, donc les appareils, les équipements de protection et les produits phytosanitaires. Ce que nous avons fait également, c'est déployer des appareils qui sont euh, montés sur les véhicules de traitement. Et je vous ai dit que euh, là où les infestations sont les plus importantes, nous sommes en train d'utiliser un avion qui, euh, qui effectue les traitements et c'est dans la région de Tawa, notamment dans les vallées qui sont inaccessibles par les camions, et que nous utilisons cet appareil en ce moment-là. Et donc, elle est en train de traiter dans les vallées de, Bouza, de Keta en particulier, donc euh, là où les infestations sont quand même les plus importantes en ce moment. Vous avez les moyens nécessaires pour cela Les moyens nécessaires, euh, nous avons en tout cas de quoi faire euh, le nécessaire en ce moment puisque en tout cas nous n'avons pas de rupture de produits phytosanitaires. L'avion, il arrive à fonctionner puisque nous arrivons à approvisionner son, son, chantier en produits phytosanitaires et en, et en carburant. Et au niveau de, de, de, des camions, nous arrivons également à les faire fonctionner, mais euh, on pourrait faire mieux, évidemment, si euh, nous avons un peu plus de moyens en ce qui concerne donc la, mise en œuvre de ces, de ces moyens terrestres-là. À quoi vous vous attendez beaucoup plus ce, à quoi nous attendons plus, c'est une euh, plus grande participation des collectivités donc pour la prise en charge des équipes de, traitement, de façon à, soutenir un peu l'effort du niveau central en termes de prise en charge des, des, des équipes qui sont là-bas et le fonctionnement de, des moyens qui sont, qui sont mis en œuvre. Quelle est votre relation avec les organisations paysannes pour faire face à la situation Bon, les organisations paysannes, euh, c'est surtout en ce qui concerne la lutte biologique contre la menace de l'épi. Euh, elles ont été initiées aux techniques d'élevage, aux techniques de lâcher, nous assurons l'encadrement. L'autre maillon en ce qui concerne le dispositif de lutte phytosanitaire, c'est surtout les brigadiers phytosanitaires au niveau villageois. Dans la plupart des villages, vous avez des brigadiers que nous avons formés et équipés, euh, avec lesquels nous Combattant les infestations de, de plus faible envergure. Donc quand il s'agit de quelques hectares, il n'y a pas besoin de déployer un camion ou de faire venir l'avion. Donc les brigadiers prennent en charge la situation eux-mêmes au niveau de leur village. Tout à l'heure, vous avez parlé des collectivités territoriales qui auraient pu vous aider davantage. Quel doit être le rapport dans ce combat contre les ravageurs Le rapport, je vous ai dit, c'est de soutenir euh, euh, financièrement en termes, par exemple, de prise en charge du carburant, du carburant et puis des équipes qui sont avec, euh, avec ces collectivités-là, puisque nous avons des, des, des, des, services déconcentrés et souvent, euh, pour que les moyens du niveau national arrivent au niveau, au, niveau déconcentré, ça peut, mettre, ça peut mettre du temps, alors qu'en intervenant beaucoup plus vite, donc l'efficacité des interventions serait beaucoup plus importante. Quel est votre message à l'endroit des paysans qui, qui sont quand même inquiets quand ils voient ces ravageurs-là Bon, le message, euh, nous renouvelons en tout cas notre euh, message en vue d'une euh, signalisation plus rapide des infestations, parce que le plus vite on signale, le plus efficace on est dans, dans, dans nos interventions. Donc ça permet de, de, stopper les pullulations s'il s'agit de sauterelles ou des floricoles suffisamment à temps. L'autre message, donc je l'ai adressé tout à l'heure aux, aux collectivités, donc je pense que si chacun apporte du sien, nous pouvons euh, espérer sur le plan de la liste phytosanitaire une bonne campagne 2016. Pour conclure, euh, nous retenons que la situation est sous contrôle, mais quand même, les ravageurs sont là. La situation est sous contrôle, les ravageurs sont là. Nous poursuivons les opérations de surveillance et de lutte. Et ce combat-là, nous allons le mener, Inch'Allah, jusqu'à ce que les paysans puissent euh, récolter le fruit de leur, de leur labeur. Nous sommes là pour ça et puis donc nous allons continuer ce travail-là avec eux. Voilà le directeur général de la protection des végétaux, Moudi Mamansani, expliquant la carte des foyers d'infestation d'ennemis des cultures dans pas mal des localités de notre pays. Dans le souci d'embellir la ville de Niamey et d'en faire une ville coquette, les autorités régionales ont lancé une opération de déguerpissement des commerces anarchiquement installés. Cette opération concerne les commerçants des alentours du grand marché, les revendeurs de véhicules d'occasion ou autres encore, euh, ou des panneaux publicitaires. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'une telle action sur la vie économique de la ville de Niamey et peut-être au-delà C'est entre autres questions que notre reporter Asman China a posées à l'économiste Souli Abdoulaye. Je vous propose de suivre son analyse. Quand vous prenez les alentours du grand marché, les alentours du grand marché depuis la création du grand marché, ça n'a pas changé mais ceux qui veulent utiliser les alentours du grand marché pour faire leur activité économique ont augmenté. Ceux qui ont les moyens, de l'argent donc pour payer ceci ou cela et venir s'installer aux alentours du grand marché ont augmenté. C'est tout ça là que la communauté et les autorités doivent gérer. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait à temps. Parce que dès qu'un problème se pose, il faut lui chercher une solution. Parce qu'en marketing, il y a ce qu'on appelle le marketing social où on voit ce qu'on appelle un besoin exprimé et un besoin latent. Ici, nous avons déjà les deux besoins combinés. Il y a le besoin exprimé parce que les gens expriment le besoin d'avoir un espace pour faire leur commerce. Il y a un besoin latent, on sait que tôt ou tard, les gens vont exprimer ce besoin-là. C'est par anticipation que les autorités doivent gérer toutes ces choses. Malheureusement, ils ne le font pas. Et quand ils décident de le faire à un moment où on voit que les choses sont en train de prendre une proportion inquiétante, en ce moment, ça fait de la peine. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, tous ces levées de tauliers, tous ces comportements des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela. Mais toujours est comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait une organisation. On ne peut pas, sous prétexte de mener son activité économique, faire entorse aux droits de l'autre citoyen. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les alentours du grand marché. Nous, en tant que citoyens qui marchons à, pied ou qui sont dans des véhicules ou qui sont en moto, nous avons droit à la libre circulation. Nous avons droit à venir au marché, garer notre véhicule en toute sécurité, partir faire nos achats dans le marché et sortir. Mais aujourd'hui, quand vous partez, ça n'existe pas tout cela. Parce que tout simplement, il y a un autre citoyen qui est en train de piétiner les droits des autres. Donc, par rapport à ça uniquement, on peut dire que la communauté urbaine est obligée de mettre chacun dans ses droits. Vous avez parlé effectivement des effets induits que ça peut avoir sur l'économie. Effectivement, ça va avoir un effet négatif sur les recettes ou l'activité économique de ces gens-là qui sont un peu partout sur les voies publiques. Parce qu'ils ne vont plus vendre leurs marchandises, ils ne vont plus avoir de l'argent, donc des recettes journalières, ils ne vont plus donc avoir les moyens de se supporter et de supporter leur famille, n'est-ce pas Parce que d'habitude, ce n'est pas des gens qui payent la mairie quelque chose, c'est des gens qui viennent à l'improviste s'installer et puis c'est tout. Donc, il va y avoir nécessairement un impact négatif économiquement sur leur activité. Mais pour que cet impact n'ait pas lieu, il faut que les autorités municipales prennent des dispositions pour les relocaliser. Du reste, quand vous voyagez dans des pays encore plus développés que le Niger, vous voyez que ces genres d'activités, on ne peut pas les empêcher, mais seulement on les organise. Vous venez, on cherche sur une voie quel est le lieu où on peut, parce qu'on ne peut pas laisser la voie. Il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser le vide ça. Mais on peut l'exploiter et l'exploiter positivement. C'est ça qui manque. Donc, finalement, il faut que les autorités municipales arrivent à revoir leur copie, à avoir un plan, n'est-ce pas, de gestion de nos espaces. Parce que chaque ruelle, on peut l'utiliser économiquement et on peut l'utiliser socialement et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, à part les véhicules qui vont, qui viennent, les, gens qui vont, qui viennent, on peut utiliser aussi des espaces pour que ça donne lieu à des activités économiques. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion au niveau de nos autorités municipales. La seule réflexion qu'ils ont, c'est la répression. Deux, qu'il y a un problème qui se pose, il faut dégager, il faut déguerpir et on ne réfléchit pas pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire euh, après cela. Pourtant, ils voyagent, ils voient bien quand vous, dans des, quand vous partez en France. En France, il y a des marchés qui sont des marchés instantanés. Chaque matin, les gens viennent avec euh, leur kiosque dépliable ou, ou, pliable, ils installent leurs marchandises et leurs kiosque euh, kiosques, n'est-ce pas Ils exploitent les gens qui sont donc intéressés par les articles, qui ne vont pas aller dans des supermarchés ou dans des grands marchés. Ils viennent sur ces là pour payer leurs produits et puis ils s'en vont. Mais la nuit, automatiquement, vous allez vous voir que le lieu, c'est comme s'il n'y a jamais existé un être humain sur cette place-là. C'est comme ça qu'il faut faire. Et les gens aussi ne laissent pas de saleté quand ils dégagent un certain nombre de, de saletés, donc des déchets, euh, des plastiques, des cartons, de ceci, cela, ils les ramassent automatiquement et le lieu est propre. Donc voilà moi dans le sens que je vois qu'on doit agir. Mais en fait, économiquement parlant, il n'y a que eux, les vendeurs là, qui vont ressentir parce qu'ils sont empêchés d'exercer leur euh, euh, euh, activité économique sur la place parce qu'on ne les a pas empêchés d'aller dans les marchés. Vous avez parlé des conséquences de cette opération de regroupement sur les concernés. Et l'État, il n'en pas L'État, non. L'État n'en pas parce que <laughs> c'est une affaire qui concerne la communauté urbaine de Niamey avec euh, les usagers. Donc les usagers qui ne sont pas des usagers logos peut-être. Mais ça n'a pas euh, euh, un effet sur l'activité économique de l'État du Niger parce que c'est une affaire qui concerne Niamey, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, quand vous prenez tous ces comportements-là, s'il y a des études ou des, analyses qui sont faites sérieusement, vous allez voir les conséquences que cela peut avoir. Le fait de laisser ces gens sur les routes, occupés des routes euh, d'une manière anarchique, c'est que ça crée comme encombrement, n'est-ce pas C'est que ça crée comme désagrément, parce que encombrement, désagrément, parce qu'en on empêche, on les, usagers, ne soit qui ont des motos, qui ont des voitures, de circuler très bien. Désagrément, c'est les différents déchets qui sont rejetés. Quand vous partez aux alentours du grand marché à 18h30, 19h, vous allez voir la quantité énorme de déchets que les gens jettent et que ce n'est pas leur problème. Pourtant, c'est eux qui ont vendu des articles. Mais on laisse ça donc à la communauté urbaine de Namé. C'est elle qui doit donc consentir des sacrifices pour mettre de l'argent chaque jour, si elle le veut bien, euh, ramasser ces, détritus-là et puis aller les verser ailleurs. C'est de l'argent. Et, et, cet argent-là, c'est la mairie qui le met dans cette activité. Ce n'est pas ces gens qui sont en train de salir les lieux. Donc on voit bien que d'une manière ou d'une autre, le fait d'agir, ça a un effet parce que c'est comme un vase communicant. Si eux, ils ont perdu ici, mais de l'autre côté, la mairie a gagné pour n'avoir pas, en tout cas, injecté de l'argent en arrangeant l'inconséquence des autres. Donc c'est ça qu'il faut, parce que les choses sont intimement liées. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher un équilibre dans toute action que les autorités sont en train de, de, faire ou, décident de faire. Il faut chercher toujours un équilibre. Mais il y a toujours quelqu'un qui va payer les C'est toujours. En économie, c'est comme ça. Il n'y a pas des choses qu'on fait comme ça, ex nihilo, et puis c'est fini. Non. Chaque fois qu'il y a une action qui est menée, il y a quelqu'un qui doit subir la conséquence, même si quelqu'un d'autre a subi euh, euh, les, bénéfices. Oui, cette opération de dégrèvement euh, concerne aussi les panneaux publicitaires qui sont mal installés et quand on sait qu'eux aussi ils payent, c'est aussi une perte. Oui, mais vous savez, et, il est des autorités publiques ici que nous avons un laisser-aller très sérieux dans tout ce que nous, ce que nous faisons en tant que Nigériens. Les différents panneaux qui sont là, c'est vrai, les gens ont payé, la mairie parce que c'est payant. Mais la façon de disposer les panneaux, c'est anarchique. Et ça a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi C'est que ça peut entraîner des accidents. Et un accident, quand il, est, il arrive, on ne sait jamais. Il peut y avoir des blessures légères, des blessures graves. Il peut y avoir même mort d'homme. Alors, s'il y a mort d'homme, qu'est-ce qui peut équilibrer ou qu'est-ce qui peut compenser cette mort Il n'y a pas. Et pour cela, la mairie doit, si par le passé elle n'a pas pris soin de réglementer comment on doit placer les panneaux, mais naturellement, elle doit le faire maintenant. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, vous prenez les, vendeurs, comme vous avez parlé tout à l'heure, les vendeurs des véhicules euh, euh, euh, d'occasion, véhicules Non. Si vous êtes dans l'état d'esprit de créer ou de vendre des véhicules d'occasion, vous devrez avoir votre parcelle clôturée où vous allez mettre vos véhicules et ce qu'on appelle le parc. On ne peut pas faire, euh, euh, on ne peut pas transformer la, voie, en tout cas, euh, de la ville en, parc. Ce n'est pas possible. Vous comprenez Aujourd'hui, si vous prenez la voie de, de, de, CCOG, qui est complètement envahie par les véhicules, on ne le souhaite pas. Un seul véhicule prend feu. Vous voyez ce que cela peut avoir comme conséquence. Nous avons tout autour eh, eh, eh, des, des, des, stations-service, n'est-ce pas Nous avons des gens qui sont là, mais la catastrophe est énorme. Pourtant, pour éviter cela, il faut tout simplement créer un cadre approprié. C'est-à-dire, c'est une enceinte clôturée où vous avez vos véhicules. Donc, on peut circonscrire, même en cas de problème, on peut circonscrire rapidement la catastrophe. Voilà l'économiste Souli Abdoulaye expliquant les conséquences économiques qui peuvent découler des opérations de déguerpissement des commerces anarchiquement installés dans la ville de Niamey. À 18h42 allons pour la suite de ce forum à la Direction nationale des archives. Elle a été inondée la semaine dernière suite aux fortes précipitations. Le bilan des dégâts n'est pas encore connu, mais l'heure est aux réparations et à la sauvegarde des documents abîmés. Sur l'ampleur de cette inondation, suivons le directeur des archives nationales du Niger, Haboubou Kari. Il est, au micro de Kenda Mariam Diallo. Vous savez, euh, chaque année, euh, malheureusement, nous gérons ce problème euh, d'étanchéité qui fait que beaucoup de nos documents sont mouillés par les eaux De, coulement. c'est à fait parce que c'est un, bâtiment qui a été construit depuis 1974. Donc, le problème d'étanchéité, est là. Alors, vous dites que ce problème perdure. Et pourquoi les, vos supérieurs hiérarchiques, est-ce qu'ils sont toujours informés de, la situation de la direction des archives Oui, ils sont informés. quand j'ai dit nos supérieurs, c'est les supérieurs immédiats. Et Dieu merci, ils ont pris des les finances ont répondu favorablement à notre euh, appel. Il y a quelqu'un qui va faire ce travail. Je vous dis, dans les 72 heures, il va commencer. Et dites-nous, euh, est-ce qu'il y a des dégâts euh, Vous savez, il est difficile d'estimer les dégâts. Pour moment, ce qui nous intéresse d'abord, c'est d'arrêter, de, sécuriser les documents, d'arrêter le coulement sur les documents en, plaçant du, plastique, en plaçant des seaux pour cueillir l'eau. C'est ça la, priorité d'abord. Sécher les documents qui, sont trempés pour pouvoir sécher le, contenu, de, sauver le contenu de ces documents-là. Il y, en a tellement, il y, y, en a beaucoup. Oui, y en a beaucoup. Je n'ai pas encore euh, évalué. Euh, nous sommes en train d'abord de les sauvegarder. Et après, on va évaluer, voir ceux qui sont vraiment fortement endommagés. Et en ce temps, on peut maintenant tirer le bilan, envoyer à nos supérieurs. Et on voit aussi que ces rayonnages sont, vieillissants. Est-ce que c'est, ça veut dire aussi qu'au euh, même titre que le bâtiment, ce sont des rayonnages qui ont été installés depuis cette construction Non, c'est de très bons rayonnages. C'est des rayonnages industriels. Là où va peut-être la rouille, ça c'est dit à l'eau, c'est normal. là, c'est comme ça. Le problème, c'est l'écoulement, c'est tout. Directeur, dites-nous comment se fait la conservation de, ces archives, comment fonctionne la direction des archives. La conservation, vous savez, euh, la conservation, c'est une activité permanente pour sauver, pour mettre les collections à l'abri de la détérioration. D'abord, il y a des dispositions qui sont prises euh, pour les mettre à l'abri de la lumière, pour les mettre à l'abri de la chaleur, pour les mettre à l'abri de la poussière, les vents, pour les mettre à l'abri des euh, attaques des insectes, pour les mettre à l'abri même de l'action de l'homme. Euh, l'action de l'homme, vous savez, l'homme est l'ennemi le plus dangereux des de collections. D'abord, c'est l'homme qui vole les collections, c'est l'homme qui opère des déchirures au sein des documents. Surtout les étudiants, par exemple, ils trouvent une page qui les intéresse, ils n'ont pas de quoi la reproduire. Souvent, ça même qu'on se rende compte, ils déchirent la page, c'est tout. C'est par la suite, quand un autre chercheur vient, il voit que s'il n'y a pas, on constate les dégâts. Donc il y a des, beaucoup de, dispositions qui sont prises et il y a même les euh, le, euh, contre l'incendie, mais malheureusement qui est en panne. Et tout à l'heure, j'ai vu des chercheurs dans l'autre salle qui, en tout cas, ont témoigné de l'importance de cette direction des, archives. Combien recevez-vous par jour Quelle est la fréquence euh, et de, la, fréquentation de, la direction Bon, ça dépend. Il y a des jours où on peut recevoir euh, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Ça dépend des périodes. Pendant les vacances, les gens ils viennent et vers euh, aussi la fin de l'année, avec les, mémoires, on a beaucoup de, chercheurs. Ça dépend des, des périodes. Il y a des périodes où on peut recevoir jusqu'à 60 euh, chercheurs. Et vous voyez, alors que notre salle, quand ça, a été construit, le bâtiment, c'était conçu pour 20 places assises. Mais aujourd'hui, ça a dépassé cette capacité-là. Les gens ont découvert les archives, maintenant ils viennent. Il y a les simples citoyens qui veulent s'informer sur euh, l'histoire de leur euh, région. Ils viennent ou des agents de collectivités qui veulent savoir les anciens plans de développement de leur euh, commune, par exemple, comment ça a été monté pendant la période coloniale, quels sont les programmes qui ont été ficelés, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui reste à, réaliser, ce qui n'a pas été réalisé, c'est dû à quoi Ouais, c'est ça, les archives. Vous savez, les hommes passent avec leurs souvenirs, mais les archives restent pour témoigner. C'est pour ça qu'on dit, de tous les biens culturels, les archives constituent le bien le plus partagé l'humanité. En termes d'employés, de, de, personnel, est-ce que vous avez des, problèmes Bon, euh, vous savez, euh, comme euh, le reste de l'administration, on n'a pas suffisamment de personnel. Mais Dieu merci, le secrétariat général du gouvernement a fait de son mieux. Il y a eu un recrutement, on ne peut pas dire massif, mais satisfaisant. En plus, des directions régionales qu'on a, le conseil des, ministres du 17 mai passé, on a eu la création des services départementaux d'archives. Donc là, ça permet de sauver les archives sur place et d'approcher l'information des usagers localement. Pour faut que les gens sachent que les archives est l'affaire de tout le monde. Les archives, c'est la mémoire du pays. Voilà, vous venez de suivre Haboubou Kari euh, au micro de Diallo Mariam Kenda, euh, le directeur euh, donc Haboub Kari est le directeur des archives nationales, la direction des archives nationales inondée en ces temps de pluie. C'est la conséquence du délabrement de ce joyau depuis un certain temps. Notre reporter Kenda Moriam Diallo a rencontré un chercheur qui connaît bien ces lieux. Celui-ci s'inquiète de l'état peu enviable des archives nationales. Je vous propose de suivre Jibo Abdelbaki. Ah, je fréquente les archives nationales il y a de cela 4 ans. Je viens régulièrement pour euh, me documenter parce que une partie de la documentation qu'on ne trouve pas dans les autres bibliothèques comme le CCFN à l'Université Abdomouni, le CCOG, l'IRCH, le CELTO, on trouve certains éléments aux archives nationales. Et, tout ce que vous avez toujours cherché, vous, vous les avez trouvés ici Je ne dirais pas que j'ai tout trouvé, mais je suis satisfait de la prestation du service et ce que je demandais, même si je ne trouve pas le document que je veux, on me propose un, autre équivalent. D'ailleurs, euh, comme je travaillé sur Boubouhama, à mon mémoire de master, les archives nationales disposent d'un fonds Boubouhama qu'ils ont appelé BBH, Bibliothèque Boubouhama, et tout toute la documentation, l'essentiel de la documentation de Boubouham et celle qui est publiée et celle qui n'est pas publiée, on la retrouve ici. Donc, en ce sens, je dirais que la biblio, les archives nationales m'ont donné satisfaction. Et à part ça, encore euh, sur beaucoup d'autres thématiques, quand on fait des recherches, on trouve les documents ici. Et comment est-ce que vous trouvez le personnel de cette direction euh, Le personnel de cette direction, je le trouve très accueillant. D'abord, à commencer par lui dire les autres... Euh, éléments de la direction qui, dès qu'ils voient un chercheur, ils viennent lui demander qu'est-ce qu'il est venu faire, de quoi a-t-il besoin, comment est-ce qu'ils peuvent l'aider. la preuve euh, que ce matin, rien que ce matin, dès qu'on est arrivé, l'une des, l'une des dames qui assure le service nous a amené la petite brochure où l'on donne euh, nos, nos coordonnées et les références du document que l'on veut. Et ça, ça a été automatique dès que nous sommes rentrés dans la bibliothèque. Bon, on ne peut pas leur, euh, les rendre responsables de certaines euh, difficultés ou imperfections. Cela, c'est un problème général. Et d'ailleurs, une salle de lecture aux archives nationales qui est aussi étroite euh, qui ne peut même pas contenir 100 chercheurs. Et l'on sait que la recherche veut de la concentration, veut un espace bien aménagé. Et quand on est très serré, c'est pas du tout agréable de faire la recherche. La direction a elle seule ne peut pas faire quelque chose de waouh ou tout révolutionner. C'est un travail d'ensemble et l'État et le gouvernement et les collectivités territoriales doivent participer à l'amélioration du cadre des archives nationales. Ah, on constate euh, des seaux qui sont sur la table. Euh, ces seaux apparemment servent de, de récipients pour recueillir de l'eau qui, euh, qui certainement vient du toit. Et qu'est-ce que tout cela vous fait En un mot, je dirais que ça me fait très mal. J'ai honte. C'est incompréhensible de voir une administration qui s'occupe de la mémoire nationale, de la mémoire euh, de tout un peuple, se retrouver dans un état presque délabré. Euh, j'ai vu aussi des documents qui semblaient être mouillés. Quelques minutes avant votre arrivée, on parlait avec le directeur et il nous disait euh, oui, regardez, ce que vous venez consulter est en train d'être menacé. On a une mémoire qui est en danger. Euh, on, a, on a un patrimoine dont on n'est pas en train de le prendre à sa juste valeur. Euh, ça vaut plus que de l'or. Parce que même si l'on construit les grands immeubles, les ponts et tout ce que l'on a, tant qu'on n'a pas de mémoire, on serait toujours incapable de relever le défi. Si vous demandez l'histoire du bâtiment des archives nationales et quelles sont les différentes interventions pour améliorer les conditions d'entretien, ben on dira même qu'on est en train d'inventer certaines choses. Comment se fait-il qu'un bâtiment comme les archives nationales, du toit scintille et que l'eau coule à l'intérieur du magasin où se trouvent les documents. Ceux qui l'ont constitué nous l'ont laissé en legs. Si aujourd'hui le Niger a un litige avec un autre pays, et d'ailleurs, l'on le sait, dans les années antérieures, le litige qui a opposé le Niger avec le Bénin sur l'île de l'été, De ce sait le rôle que les archives nationales ont joué dans le règlement de ce contentieux frontalier. Le Niger a des contentieux frontaliers avec le Burkina. Le Niger a des contentieux frontaliers avec le, la Libye. Alors, si tout s'en va, comment résoudre ce problème Et puis, cette fête des éleveurs, un peu particulière au Niger, à la fin de chaque saison des pluies, les éleveurs guident leurs troupeaux à travers de nombreux pâturages dans une transhumance de 300 à 400 km pendant 2 à 3 mois. Au cours de ce périple, à la mi-septembre, tous les troupeaux convergent vers la commune rurale d'Ingal, dans la région d'Agadez, pour se réunir dans les pâturages riches en celle de la plaine de l'Iraser. C'est cela, la cure L'organisation de cette fête d'éleveurs ne date pas d'aujourd'hui. Alors, où en est-on, où en est-on dans les préparatifs de l'édition cure 2016 Tarnan Foudé Ahmed a joint ce matin le maire de la commune d'Ingal, Sid Mohamed Maman. Nous l'écoutons. On commence déjà à réfléchir sur la caisse salée parce que déjà nous avons reçu la visite du ministre délégué de l'élevage et de l'agriculture, M. Boucha Mohamed, qui est venu nous rencontrer dans le cadre des préparatifs de la caisse salée. Mais malheureusement, euh, suite aux dernières pluies, là, il y a eu quelques problèmes sur les sites au niveau de la tribune qui doit être refaite et au niveau des sites des officiels aussi, il y a quelques réparations qui doivent être faites. Et cela n'était pas quand même préparer la kirsalé. Monsieur le maire, en mois de juin dernier, Ingal a été touché par les inondations. Beaucoup des éleveurs ont perdu leur euh, chaptel. Est-ce que cette année, les populations d'Ingal sont prêtes pour la fête de Kirsalé Effectivement, le 14 juin, il y a eu des inondations à Ingal et il y a beaucoup d'éleveurs qui ont perdu leur bétail. Mais cela, je ne pense pas que ça peut empêcher de tenir la Kir parce que la Kir c'est aussi un lieu de réflexion, un lieu de rencontre entre les politiques, les éleveurs et les différentes associations des éleveurs qui se rencontrent là-bas. Et c'est aussi une fête presque internationale où tous les partenaires du Niger, euh, que ce soit les chancelleries ou les organisations internationales, se rencontrent là-bas. Et c'est le lieu certainement de pouvoir réfléchir, de voir comment on peut aider ces éleveurs-là pour les, leur relèvement. Monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui les éleveurs d'Ingal ont le moral de participer à cette fête-là Le moral pour un éleveur, c'est d'avoir une bonne saison, euh, une bonne saison pluvieuse, euh, d'avoir euh, des, des, un peu partout, mais certainement, euh, je ne vois pas où se situe le problème. Ce n'est pas une question de morale c'est une question de, de rencontre et c'est le lieu de, dire euh, ce problème, de dire comment on doit solutionner ces problèmes-là. je pense qu'à ce point-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des problèmes. C'est question de, si les, éleveurs, certainement les éleveurs d'Ingal ont été atteints, mais c'est tous les autres éleveurs du Niger qui se retrouvent à, à, Ce n'est pas seulement les éleveurs d'Ingal. Vous avez toutes les régions du Niger vous avez tous les autres éleveurs des pays frontaliers comme le Mali, le Cameroun, le Nigeria qui se retrouvent à Ingal. Donc c'est une fête vraiment internationale. Ce n'est pas seulement les gens d'Ingal qui sont conviés. Monsieur le maire, nous sommes au stade préparatif de cette fête-là. Est-ce que vous avez arrêté une date pour la Kirsalé 2016 Ce n'est pas nous qui arrêtons la date, mais la date, en tout cas, ce que nous a dit le ministre Mohamed Boucha, c'est du 23 au 25, 23, 24, 25 septembre c'est la dette officiellement qui nous a été communiquée à Inga. Quelle sera la particularité de cette fête-là cette année Bon, la particularité de cette fête-là, nous pensons que d'abord, elle aura lieu à un moment, comme vous venez de le dire, où beaucoup des élèves ont été secoués, ont été atteints par les inondations du 14 juin. Ça sera certainement une fête particulière parce que aussi cette année, malgré toutes ces pertes-là, aussi c'est une très bonne année pluviométrique, euh, euh, aussi pour les élèves parce que le couvert végétal, en tout cas, il est très bon sur euh, presque euh, euh, sur les deux tiers de la commune. Donc je pense que vraiment il y aura une rencontre où les gens vont échanger certainement sur l'avenir aussi de l'élevage par rapport à toutes ces questions-là, par rapport à toutes ces questions de changement climatique. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est le lieu de faire une réflexion d'avenir, mais pas seulement la fête. Monsieur le maire, merci beaucoup. Voilà le maire de la commune d'Ingal, euh, Sidi Mohamed Maman, sur les préparatifs et l'importance de la cure salée d'Ingal. Les programmes du studio Kalangu à Nyame sur la radio Enfani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Enfani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Chirozirine sur la radio Azuru 95.1 FM à Filengi sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM. À Tilaberi. Sur la radio Tebonsi 97.5 FM. À Maradi. Sur la radio Garkwa 107 FM. À Tawa. Sur la radio Tambara 107 FM. À Zender. Sur la radio Shukra 105.5 FM. Studio Voilà, 18h57 minutes, c'est la fin de ce forum. Je vous rappelle que nous avons parlé de l'organisation du Hajj 2016 après l'annulation du premier vol charter. Les versions s'enchaînent, le Coro parle de raisons techniques, la compagnie Niger Airways dit plutôt c'est un problème d'autorisation de décollage, de survol et d'atterrissage en Arabie Saoudite. Elle ajoute aussi qu'elle n'a encore rien perçu comme franc de la part du Coro. Nous avons aussi parlé de la campagne hivernale avec euh, les cultures qui sont menacées dans une bonne partie du pays par des attaques d'ennemis des cultures. Des sautériaux, des chenilles et des insectes floricoles sont signalés un peu partout. La Direction générale des protections des végétaux dit avoir traité plus de 65 000 hectares. Et puis la pluie et ses conséquences nous ont amenés à la Direction nationale des archives elle a été inondée la semaine dernière. Le bilan des dégâts n'est pas connu, mais l'heure est aux réparations et à la sauvegarde des documents abîmés. Vous avez suivi le directeur des Archives nationales et un chercheur qui s'inquiète de l'état de délabrement de ce joyau national. Ainsi donc euh, prend fin ce forum. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Bonne soirée à tous.